dans le domaine de l'éducation, par exemple, vous allez trouver un programme applicable euh, de l'élémentaire au supérieur, basé sur ces écrits, avec une classification et euh, un sectionnement net des cycles moins élémentaires jusqu'au niveau supérieur. Sans compter maintenant le système d'enseignement, mais également un rare pédagogue qui enseigne dans ces universités des ouvrages qu'il a composés lui-même. Alors ça, c'est une euh, approche inédite euh, qui, nous, qui va nous replonger vers euh, ce que nous avons l'habitude de voir ou de visiter, c'est-à-dire les grandes expositions sur le mouridisme qui constituent un temps fort dans l'organisation de ces grandes journées culturelles chez Ahmadou Bamba. Je, je sais aujourd'hui que les thématiques sont importantes. On a parlé des grandes expositions, on a parlé évidemment euh, d'un festival, on a parlé euh, d'une conférence avec beaucoup de plusieurs panels, Seigneur va y revenir. Mm-hmm. Mais je voulais juste revenir sur la question des grandes expositions sur le mouridisme. Alors, Seigneur est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur l'essence de ces grandes expositions Parce que je vous avais promis des, justement des surprises, on va y revenir. Mais en attendant, parlez-nous un peu des grandes expositions sur le mouridisme avec Isbou à l'époque d'ailleurs des étudiants mourides. Merci. Hein. Euh, les grandes expositions euh, constituent donc un espace extrêmement important et riche dans le cadre donc, de ce partage avec les autres, dans les rendez-vous donc du donner et du recevoir. Vous savez que euh, depuis euh, l'époque où on parlait de Daïre des étudiants mourides, a toujours travaillé dans le patrimoine culturel du mouridisme dans la recherche, dans l'éducation, dans les études. Et par rapport à cela, donc, nous avons toujours travaillé pour vulgariser le message de Cheikh Amadou C'est dans ce cadre, donc, que qu'une première expérience a été euh, vécue euh, sous le califat de Cheikh Abdullah Baké, qui nous a accompagnés, mais qui nous a également soutenus, car le terrain n'était pas très favorable. Parce que vous eh, savez. pourquoi le terrain n'était pas, très favorable Parce que euh, c'est normal. Euh, c'est normal. quand un mouvement est créé au sein du campus universitaire des étudiants, à une époque où nous savons qu'il y avait les retombées de mai 68, donc après mai 68, il y avait un climat qui était vraiment au niveau mondial, euh, qui était compris dans un sens où un étudiant musulman c'était pas facile de faire confiance en lui. Mais en d'autres termes, on, avait, euh, en fait, il faut dire, on avait peur de vous. On avait peur euh, de, de, de, de l'intellectuel qui euh, vivait de façon sincère l'authenticité de sa foi, mais également qui était ouvert à toutes les formes de connaissances qui n'étaient pas médiocres. Par rapport à cela, on pouvait penser à cela, mais L'expérience a montré que nos aînés qui ont fondé le mouvement, ils étaient sincères au début. Et aujourd'hui, le périple, les retombées, la consécration en ce, jour, 40 ans après, mais tout le monde dit euh, que Isboutar doit communiquer. Parce que c'est un, héritage qui appartient à Céline Touba. Les résultats sont là, dans l'éducation. Les résultats sont là, dans la personnalité même musulmane de ceux qui sont passés au sein des l'islam, Ils sont partout. Dans leur manière d'assimiler les valeurs de travail, dans, le, dans, dans, leur manière de vivre intensément les valeurs culturelles de base de l'islam, dans leur manière de, de, de, rester euh, euh, euh mais de ne pas être entaché par euh, donc des, des, des, des formes d'assimilation culturelle qui peuvent nous dévoyer. Vous savez, dans le système éducatif, euh, il y a quelque chose qui est très important. On en a parlé tout à l'heure. L'islam est une religion qui est universelle, qui est euh, le Coran est transcendant, est un message qui, transcende les temps, qui transcende donc les, les, les frontières. Mais également, il s'adapte au réceptacle socioculturel. Ça veut dire, nous pouvons être des Sénégalais avec notre propre identité, mais vivre intensément les valeurs culturelles islamiques. Ne pas être assimilés à un occidental, mais ne pas être assimilé également à ne pas confondre, je veux dire, panislamisme et pan-arabisme. Nous pouvons ne pas être des Arabes. Les Arabes sont des Arabes. Nous, nous sommes des Africains. Mais également, on se partage ce qui est commun à nous tous, qui est un héritage islamique qui appartient à toute l'humanité. L'islam. Alors, donc, euh, merci Seigneur Youssou. Euh, euh, nous, allons faire un petit saut en arrière vers les années 80. On les nomme mais ils étaient appelés étudiants mourides. Dans un cadre appelé Daïra des étudiants mourides, c'était au sein du campus universitaire de Dakar, chez Anta Diop. Nous allons voir en 1986 ce que disait Serigne Atoudiagne, alors responsable Daïra des étudiants mourides. الدين على الجدار بالمزابيع ما 1975 76 1975 76 soo gisee bu ñu boole ñaari at yi dafa tolloog at mi nga xam ne ci la ab élève di jàng daf di juróom-ñeenti weer yoo xam ne day tàmbalee ci njeexteel at mi di euh, mottali mottalikoo ci li def ci at ma ca des at mooma bi daayira bi sosoo li nga xam ne mooy jëmal mbooloo moo xam ne dafa jëm ci yàlla te aju ci sëñ Tuubaa mu ne mooy ñu ñëw jox seen bopp ki nga xam ne moo fi teex toogal Seexul Xadim ba ko daayira bi defee mu dëpp weeru janvier keroog la jàpp ni ca la judd ni rafatu qidmati ila alwasila salla alayhi man ara tafdila rafatu qidmati ila almaay sanad wa lisiwana saa kull man fanad huwa alnabiyu walrasulu walqalil wa huwa alhabibu wa yukasiru alqalil Merci à la régie pour cet extrait euh, qui nous a replongé vers les années 80, c'est exactement en 1986, à l'occasion justement euh, des grandes expositions euh, sur le mouridisme organisées par Isbek Tarkhia, où le président Serigne Atoudiagne présentait justement à l'équipe, aux équipes audiovisuelles les temps forts des stands qui, constituait justement le fonds documentaire de recherche. Alors, mais Seigne Lamine, je voudrais bien revenir sur une question mhm. importante, c'est-à-dire aujourd'hui, euh, ils étaient des étudiants, mais après, les étudiants sont devenus des professionnels. Euh, donc, ça veut dire que le lien fondamental euh, hein, donc euh, qui était l'université, devait changer quelque part, mais eux ne voulaient pas que cela constitue une entrave au vécu quotidien de leurs euh, besoins spirituels, de leur nourriture spirituelle. Alors, que s'est-il passé entre-temps Voilà, c'est une question très importante et on voit qu'en 1975, généralement, il faut 4 ans à l'université pour avoir la maîtrise, sans la spécialisation. Donc, il faut compter à partir des années 79, 80, 81 et plus, beaucoup d'étudiants qui sont sortis de l'université et qui ont regagné les sphères professionnelles. Mais avec le euh, euh, les vécus euh, qu'ils ont eu à la DAR, la nourriture spirituelle, la soif qu'ils ont étanchée dans le vécu intense des valeurs culturelles de base du monodisme que Cheikh Ahmed Bamba a réhabilité, ils ne pouvaient plus se séparer de l'entité. Et cela a abouti à la création de ce qu'on a appelé le rassemblement des anciens étudiants et des sympathisants. Des sympathisants, pourquoi Parce qu'il y a d'autres adeptes mourites, commerçants, euh, mécaniciens, tailleurs, euh, cultivateurs, pêcheurs, en quelque sorte des gens de toutes les catégories socio-professionnelles qui ont vu dans euh, ce mouvement l'incarnation des valeurs de travail, des valeurs de foi, des valeurs d'abnégation, du moudisme en quelque sorte, et qui voulait aspirer à un mouvement. Donc ce n'est pas une corporation fermée, réservée strictement aux étudiants. C'est devenu également une autre ouverture et on a parlé du rassemblement des anciens étudiants et des sympathisants. Mais également les élèves qui étaient les cadets, qui étaient déjà dans les lycées, aspiraient déjà à ce mouvement, voulaient également s'abreuver à ces source sans pour autant atteindre déjà l'université parce qu'il n'avaient pas encore le bac. Et le daïre des étudiants, des élèves mourites du Cap-Vert est né un daïre qui maintenant va essaimer au-delà des lycées que nous connaissons, qui étaient d'abord la Delafosse, Vanvo, etc., pour maintenant euh, descendre à un niveau encore plus bas, les CM et même jusque dans les écoles élémentaires. Et c'est finalement devenu euh, une euh, demande collective qui devait de toute façon, euh, dans la mesure du possible, satisfaire les différentes expressions de besoin, c'est-à-dire accepter tout le monde sans pour autant qu'il y ait une coloration de statut. Et ainsi donc allait naître justement le Daïra des étudiants mourides par extension qui est devenu Isboutarchium. Alors je vous remercie. Je viens bien, monsieur Diop, revenir maintenant sur la question fondamentale des grandes journées culturelles chez Ahmadou Bamba. Grande journée culturelle qui implique euh, l'association des compétences, des services euh, compétents, l'association des personnes ressources, euh, la combinaison des, moyens et des stratégies aussi bien au plan national qu'international. Cela requiert une organisation, cela requiert une, comme on dit, un bon management alors, comment est-ce qu'aujourd'hui euh, vous êtes organisé au niveau de votre comité, euh, votre euh, comité d'élection euh, Monsieur Hassan, vous allez me permettre juste de compléter la mine par une phrase. Alors, une minute. Une minute. vous savez comment il faut comprendre cette soif spirituelle, de spiritualité et de perfectionnement qui venait d'être étranchée au sein du de la Dara Isboutanrière des étudiants Il faut distinguer deux phases, le phénomène de civilisation et l'œuvre de civilisation. Le phénomène de civilisation, c'est-à-dire le phénomène d'aïra, c'est extrêmement important, mais c'est une étape et c'est une phase. On se réunit dans le au sein du campus universitaire, dans une chambre, on boit du thé ensemble, on discute, on, fait, on prend des thématiques, on discute, mais après, chacun retourne chez soi avec ses habitudes. Ses habitudes. Mais quand on crée un cadre, à partir de 1981, le cadre il était devenu un cadre permanent, avec un système de valeurs et une référence qui est intangible. C'est-à-dire les valeurs culturelles de base réhabilitées par Cheikh Ahmed Bamba. C'est des valeurs islamiques qui sont perpétuées et développées à partir des activités phares qu'on vit au sein du campus. Il y a des activités d'enseignement, donc des sciences religieuses, il y a des activités d'animation, il y a également des activités donc euh, d'administration, des activités sociales, etc., etc. À partir de ces activités, on façonne l'individu. On façonne un profil culturel qui va être affranchi de ces, de pesanteurs. Avant, on disait, on, on sentait un vide. Maintenant, on recouvre sa personnalité et son authenticité. Ça, c'était un passage. Et, je vais compléter tout juste pour fermer cette parenthèse, pour dire que euh, le, mouridisme n'est pas une confrérie. C'est juste pour compléter euh, mon, ami, euh, M. Kébé. Euh, le mourisme n'est pas une confrérie, c'est extrêmement important de retenir cette phrase. Alors nous, nous, nous, allons en fait, nous, nous allons en faire une thématique, euh, spécialisée, mais, là nous allons parler justement de ces grandes journées culturelles. L'organisation stratégique, côté euh, management. L'organisation stratégique, on doit d'abord insister sur la caution morale. Parce que c'est ce, qui ce qui relève de l'autorité suprême du moulisme, le Khalid général des qui a qui a d'abord euh, validé, qui a euh, donné une consécration, qui a apporté sa bénédiction donc, sur, cette, sur ce projet. C'est extrêmement important. Cette caution morale fait, est euh, un aspect extrêmement fondamental parce que tous les autres, toute la communauté mouride, et je dirais même toute la communauté musulmane, va maintenant, à partir de cette caution morale, accepter et partager ce, euh, ces journées. En tant que l'événement, en tant que tel, on va partager ça avec tout le monde. Chacun voudrait y participer parce que pour recueillir donc de la bénédiction qui émane de l'autorité suprême du bouddhisme. Euh, nous rendons grâce à Dieu parce que, et, là je parle au nom du, responsable moral des et du président promoteur de ces journées, Seigneur Diagne, qui, qui, voudrait saisir toute occasion pour, rendre grâce à Dieu et remercier toutes les autorités religieuses qui sont derrière la Khalife général des Mourides, au sein de la communauté mouride et au sein de la communauté musulmane. Ils nous ont toujours accueillis à bras ouverts avec un cœur vraiment très, très, très, très, euh, qui, qui, montre une satisfaction pour accueillir ces grandes journées culturelles comme une avancée sur le plan donc de, de, de, de, de la gestion de ce que nous partageons ensemble, l'islam en l'occurrence. Mais également, euh, la structuration, on sait que l'approche de management doit obéir aux règles euh, établies et les règles les plus partagées au niveau mondial. Euh, en matière de, de, de, management, il faut une structure décisionnelle et une structure qui exécute, mais également des process qui vont euh, gérer euh, les programmes, la planification, euh, le contrôle, et l'évaluation, donc le suivi et l'évaluation. Par rapport à cela, donc, déjà, le comité directeur qui supervise est une structure qui a été créée pour gérer la responsabilité donc du projet. Mais c'est une structure qui est très ouverte. Parce qu'il y a, je peux, désigner par exemple trois branches extrêmement importantes. Un conseil d'orientation, un conseil consultatif, mais également un conseil permanent. Euh, ça permet d'élargir la structure à toutes les compétences et tous les experts au sein de la communauté mouride et au sein de la communauté musulmane et même d'autres euh, qui sont des compétences sur le plan purement technique avec qui nous, nous, sommes obligés de travailler dans le cadre de, la réussite de ces journées. Donc, euh, le comité directeur a pris toutes ses dispositions pour gérer projet. Alors, euh, Mais monsieur, monsieur, monsieur, je, vais, je, vais revenir euh, parce qu'en réalité, euh, le, temps nous est compté. Mais, c'est simplement pour dire qu'en en fait, à l'entendre parler avec l'enthousiasme, avec justement la projection qui est faite dans le temps pour ces, ces résultats attendus, l'on se dit, c'est quand même grandiose ce qui va se passer. Alors, selon vous, qu'est-ce que qu'est-ce qui, devrait être l'attente des populations, des populations sénégalaises, des, populations du monde entier, vous qui travaillez dans le monde social Oui, euh, Sérine moi, je, vais commencer d'abord par apprécier l'élément. Ça m'a vraiment touché et ça montre vraiment euh, la persévérance, n'est-ce pas du groupe de Isboutarkia. Mais j'en félicite au passage, j'en félicite euh, Serine Atoudian, euh, voilà, qui depuis le début n'a pas, pas abandonné, n'a pas laissé. Et pourtant, euh, il a tout entendu, il a tout vu. voilà, on habite à Touba, on, on <laughs> sait ce qui se passe, n'est-ce pas Voilà, donc on, on, le félicite et on, on l'encourage vivement. Voilà, pour revenir à votre, votre question, moi je pense que chaque, euh, chaque mouride, je dirais même pas chaque mouride, mais chaque musulman, hmm. aujourd'hui, euh, doit faire face euh, de ce qui est l'œuvre de Serigne Touba et essayer de se faire voir dans les dans les dans les dans les dans, dans, dans, dans le mouridisme n'est-ce pas donc ça c'est valable pour tout le monde c'est pas seulement pour les pour les mourides donc il faut donc faire le point sur ses principales ces principaux rapports avec, euh, avec le cher. Qu'est-ce que le cher a fait pour nous et qu'est-ce que je suis en train de faire moi personnellement pour le cher On ne peut rien faire pour le cher hein, parce que tout ce qu'il a, il a déjà. Mais au moins qu'on puisse être des musulmans, être et rester sur la bonne voie, n'est-ce pas Et c'est ça qui, qui, fera sa fierté. Mm. Donc ça, c'est un point très important. Mais également faire l'état euh, de ses comportements personnels. Voilà, ça, chaque mouride quand il se réveille, il doit se dire est-ce que moi je suis sur la bonne voie que le cher, Amoud Bamba avait tracée ou pas. Mais également, euh, il, faut, il faut chercher à s'identifier parmi les Mourides. Est-ce que je suis réellement un Mouride c'est quand même difficile. Hein. Oui, c'est difficile. <laughs> Est-ce que je suis réellement un mouride Mais c'est une question qu'il faut se poser tous les jours. Quand on fait partie d'une communauté, il faut se poser des questions, se mettre en question. Est-ce que je fais partie de ce groupe Est-ce que les euh, dispositions qui ont été établies par le groupe, est-ce que je les respecte Est-ce que je suis toujours dedans ou pas Ça, c'est très important. Et euh, donc, euh, voilà, il faut comprendre également que ces journées-là, ou bien même, bon, voilà, les, les, expositions et tout ce qui va se faire pendant ces journées-là participent également au développement du, de, notre pays. Le mouridisme pèse lourd dans le développement du pays, moi je le dis tout le temps, mm. euh, sur le plan économique, sur le plan euh, politique, sur le plan social. Mm, tout le monde sait ce qui se passe. Euh, voilà, donc le mouridisme a un poids lourd et ce poids-là, il faut l'exploiter pendant ces journées-là. Il faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut le montrer, n'est-ce pas, pour que le monde musulman, la Ouma musulmane, la Ouma islamique puisse voir les œuvres de String Touba, voir tout ce qu'il a fait euh, pour les mourides et pour la communauté musulmane. Et, surtout euh, avec toute sa capacité euh, d'apaiser les tensions du cœur, les tensions sociales, par ce message de rassemblement, de cohésion sociale, de l'entraide, de la solidarité. Je, vais donc revenir sur une question fondamentale. Quand on fait ce genre d'appel, le monde entier se prépare à répondre quand on lance ce genre d'appel, les chercheurs se mobilisent, les écrivains aussi, les spécialistes de l'enseignement euh, religieux, tous aujourd'hui sont en attente. Alors le comité scientifique a du pain sur la planche. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous, vous avez préparé pour accueillir tout ce beau monde, mais surtout leur donner euh, l'opportunité de pouvoir s'exprimer, de partager en tout cas pour la transmission du message culturel et spirituel. Mhm. Voilà, merci euh, Je crois que dans la structuration du comité directeur qui supervise ces journées. Seigneur je vient de parler de plusieurs stratégies et de commissions dont le comité scientifique. il ne faut pas perdre de vue la dimension de ces journées. Et Seigneur a parlé dans son, dans son, euh, dans son discours tout de suite euh, du rendez-vous, du donner et du recevoir. Et qui parle de cela va parler inéluctablement d'une rencontre avec euh, des chercheurs, des sommités, qui ne sont pas obligés d'être des Sénégalais, qui peuvent ne pas parler le Wolof, comme nous et les autres, et qui comprennent d'autres langues et qui ont besoin de cette information du Parce qu'il ne faut pas le perdre de vue. Seigneur Diagne, responsable moral, l'a dit tout de suite, il a parlé de la bonne information du mouridisme pour euh, réparer quelque part quelque chose, comme il l'a dit, vous ne communiquez pas assez. Et pour cela, vous permettez aux gens de dire n'importe quoi sur vous. autant, autant, il, a parlé pour, mais le la bonne information aussi pour, le, qui, qui, dit quoi euh, pour le mouridisme et qui a euh, justement le... Euh, déjà, nous, nous avons parlé tout de suite de l'éducation et de la formation. C'est le moment de montrer l'école du mouridisme, ce que Cheikh Amour Bamba a fait dans ce domaine. Euh, Seigneur Kébé vient tout de suite de parler d'économie et euh, dans, dans, dans, les valeurs de développement économique. Aujourd'hui, si nous prenons l'exemple de l'agriculture qui mobilise un chiffre important dans le produit intérieur brut du Sénégal, que serait cette phase sans l'apport du Mourid Depuis la colonisation, nous assistons à un bond en avant de cette agriculture et le rapport politique de 1926, le gouverneur général dit que si nous avons laissé cette puissance mourite se constituer et qui pourrait être plus tard source de difficultés, il faut se féliciter de l'action du mourite qui a participé à développer activement le pays. Et si aujourd'hui le Sénégal, depuis l'indépendance, peut être cité parmi les pays, les premiers pays exportateurs et producteurs d'arachides, les Mourites ont joué une partition irremplaçable dans ce maillon, à commencer par l'agriculture, le bassin arachidier, la conquête des terres neuves, et ils ne sont pas seulement dans l'agriculture dite traditionnelle, il y a l'agriculture vivrière, et là, le Sénégal et l'histoire leur donnent aujourd'hui raison dans l'appel vers euh, l'autosuffisance alimentaire et un retour à la terre qui a été prônée depuis. Aujourd'hui, il faut voir les villages mourites et les, qui se sont constitués il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, qui, de petits à sont devenus des villes, des départements qui comptent réellement dans le dispositif administratif et, du Sénégal. Et, nous, avons, euh, nous avons suivi euh, l'actualité lorsque le Khalif général des de Chersi de Mortar, a appelé vers le retour, vers, euh, pour le retour vers les terres. Mm-hmm. ça, a été en tout cas une, bouée de sauvetage, en tout cas au Sénégal, parce que ça, ça, a donné un impact, ça a boosté la capacité de production agricole au Sénégal. Mais ils vont venir, ces chercheurs. ils, vont, venir avec toutes les compétences dans tous les domaines. Voilà, exactement. Et pour cela, il y aura euh, comme d'habitude dans ces grands rendez-vous du genre au niveau international, l'accréditation qui obligatoirement va passer par un site internet qui sera décliné bientôt où ils pourront s'enregistrer, euh, recevoir les appels à communication, les orientations, le programme détaillé, les thèmes des conférences, des panels et surtout de toutes les communications. Et qui parle également d'un événement d'une dimension internationale ne va pas oublier un aspect important à la traduction, qui sera professionnel, au top comme dans euh, l'ensemble des grandes conférences et des colloques sur le plan international, avec l'anglais, l'arabe euh, et les autres langues internationales, qui permettront à ces chercheurs de venir communier pour apporter également, mais également recevoir de, dans ces aspects ce que le mouridisme a réussi. Nous avons parlé de l'éducation, nous avons parlé euh, de l'agriculture, mais en même temps sur le plan euh, de la paix, de l'appel à la cohésion sociale, du Coran qui reste le référentiel fondamental de l'islam. Qu'est-ce que Cheikh Ahmed Bamba a fait par rapport à ce message Par rapport à ce message, je vous rappelle que vous suivez euh, avec moi l'antenne hebdomadaire des grandes journées culturelles Cheikh Ahmed Bamba initiée par Hezbollah et qui vont s'organiser le 15, le 16 et le 17 juillet 2016 à Dakar. Mais pendant, pendant justement que nous sommes en train de vivre euh, la ferveur dans la préparation, euh, l'effervescence, c'est ça le mot, l'effervescence, à Touba comme à Dakar, comme euh, sur le plan international. Je vous propose de suivre ce qui se passe à Dakar. C'était le vendredi dernier à Pékin avec le conservateur Ria qui a rendu visite à ses autres homologues organisateurs d'Aïra et ensemble au combiné justement pour donner le ton vers les grandes journées culturelles. Après les étapes de Usine Bentali, Parcelle Asseni, le comité d'organisation des grandes journées chez Ahmed Bamba a dépêché sa branche locale à Pékin, précisément au quartier médina de Pékin Nord. L'étape de Pékin est marquée par un accueil à bras ouvert du comité d'organisation afin de franchir un grand palier en direction des grandes journées culturelles chez Ahmed Bamba prévues les 15, 16 et 17 juillet 2016. Nous avons commencé à tous les condisciples mourides de Pékin sont impliqués sans exception. Et les musulmans, d'une manière générale, les dara, daïra, imams et chefs de quartier, sans oublier les autorités administratives nous pour la réussite de cette activité. Pour le moment, nous sommes à